vous savez, ONEP euh, Niger, il intervient dans la thématique bonne gouvernance et démocratie. Donc c'est dans, cette thématique-là que, euh, dans le cadre des élections euh, présidentielles et législatives au Niger, que ONEP a mis en place une cellule de veille électorale. Et donc cette cellule de veille électorale, c'est pour la prévention et l'atténuation de potentiels incidents ou menaces qui découleront des élections. Donc nous avons déployé 350 observateurs qui font remonter euh, des, les informations, c'est-à-dire des données, euh, soit des menaces ou bien des incidents, au niveau de la chambre, cellule qui est implantée ici à l'hôtel. Donc nous avons trois chambres au niveau de la cellule. Nous avons la chambre de collecte, la chambre d'analyse et la chambre de décision. Donc ces collecteurs-là qui sont sur le terrain, ils font remonter les informations au niveau de la chambre de collecte. Et eux, ils collectent toutes ces informations venues du terrain. Ils transmettent ces informations-là au niveau de la chambre d'analyse, où eux, ils font maintenant un travail d'analyse et puis de faire des scénarios pour maintenant envoyer ce document au niveau de la chambre de décision. Il faut se dire que la chambre de décision, c'est des personnes éminentes qui composent cette euh, chambre, qui peuvent vraiment frapper à toutes portes, qui peuvent appeler les personnes concernées pour vraiment trouver des solutions euh, là où on aurait décelé des solutions sur le terrain. Donc voilà euh, un, peu en, un peu en résumé le travail de la cellule de veille que nous avons implanté ici au niveau de l'hôtel. et toutes les régions sont, sont, couvertes parce que nous avons les huit régions. Nous avons déployé donc ces 350 euh, observateurs sur les huit régions. Ils couvrent les régions, c'est-à-dire vous prenez la région, le département et des communes. Merci, monsieur.